Le travail vient de démontrer par cette mobilisation populaire qu'il n'y aura pas de combat le 24 ici à Alors c'est pourquoi Manuel Nignan, et je vous demande, vous dimanchez un tel thème, pour un vote massif qui va traduire cette mobilisation exceptionnelle. lii xajaloon stade Amadou Barry kon vous avez bien fait gars yi ñemewuñu dem stade ñemewuñu bàyyi ko yaatoo comme bi moo tax foog naa ne liggéey bi moom sotti na ba pare. Guédiawaye est l'une des villes aujourd'hui les plus éclairées elle a une voirie ay tali ngi fi yu bees yu bare. beneen banque ci daal ci ginnaaw di dem donc Guédiawaye waratuñ ko tuddee banlieue c'est devenu une ville moderne c'est une ville où il fait bon vivre te mesure yi ma am yu bees ambition bi ma am pour Guédiawaye avec le système de transport moderne muy le BRT fii lañ koy expérimenté ak Pikine defar nañ leen yoon yu bees yoon yoo xam ne pigeon yi rek ci jaar vous avez également ay mesures yu bees yu ma jël beneen baa ngi fii danañ yeggali la partie Cambérène su ko defee dem bi ak dikk bi dana yomb fii ba Tivaouane Géejawaay tey moo am hôpital bi gën a mag ci Sénégal ñu dalal jàmm Géejawaay dana nekk un centre d'expérimentation bi ñuy wax pôle mère enfant avec le centre national d'oncologie dama bëgg ngeen xam ni la ngeen ma waxoon aussi jëm ci cimetière yi Règle na 8 hectares pour le cimetière musulman 4 hectares pour le cimetière chrétien dont les murs sont en train d'être réalisés avons un centre de formation professionnelle pour Magamagama. Nous avons aussi une antenne de l'université virtuelle du Sénégal un espace numérique ouvert je le def beneen pôle de l'université Cheikh Anta Diop ñu tuddee ko 4 bu nekk un pôle de recherche et d'innovation puis de de Nous nañu le lycée Limamoulaye a formé des générations de cadres Nous xam même même sama gouvernement on a au moins deux à trois ministres qui ont été formés ici dans ce lycée nous boobu ñu nous koy moderniser être pour nous mettre dans les meilleures conditions donc le matin tàmbali ci géejawaay qui a yàlla àndee danañ il y a ko ba géejawaay nekk que ku ne bëgg ñëw ici. si ci sécurité amener de nouveaux commissariats qui vont démarrer bientôt pour renforcer la sécurité dans le Guédiawaye en un réseau d'électrification de l'éclairage public de 2 milliards et demi également pour Guédouaï, pour Yoko sécurité mais Guédiawaye c'est aussi promouvoir une tali assainissement à pour 27 km de route et quadriller l'ensemble de la ville à travers les cinq communes de Guédouaï la réhabilitation tronçon unité 1 et unité 6 du Pasteur dañu élargir tracé, tracés CM Canada marché Boubès. Réhabilité réhabiliter en plus d'un Réhabilité réhabiliter la section rond-point Carbi de Cité faïssal réhabiliter tronçon pharmacie Golf VDN Mausolée tabax yoon Nubès, bees Paris, ci commune nous sommes Ndiarème Limamoulaye waxtu naan ni de toog ci réalisation d'aménagement paysager installation lampadaires solaires, sur tous les grands axes routiers de Guédiawaye pour 1,6 milliard six millions pour la jeunesse réhabiliter nous déjà réhabilitez nañu le stade à Bari entièrement rénover le stade de Mamouraï, pour 1,3 milliard trois comme Guédiawaye yaakaar naa ne yéen décidé accompagné accompagner liggéey pour le plan Sénégal émergent Guédiawaye pare pour le premier tour pour que nous continuions liggéey vers une aventure. Alors oui, nous allons poursuivre la modernisation du transport ici à Guéniawaye avec le BRT pour 262 milliards de francs et la construction et la rénovation de l'ensemble du réseau routier de Guédiawaye. loolu la 3 de entre Golf et par quasiment les travaux d'aménagement et, d'élargissement de la route des Niaï les continuer de le massacre, engagés engagé nañu comme sera aussi une ville verte maintenant, de boo xam ne dinañ ci jëmbat c'est pourquoi il y a bien votre bois ici à Guédiawaye le Guédiawaye du que je veux dessiner avec vous, chère population de Guédiawaï, sera un Guédiawaï innovant et créatif. loolu de de sport la gis de ko ci culture la gis nañ ko ci les autres artistes de Guédiawaye danañ dinaa jël de ko ville test pour le programme ville créative Nous y a un moment entamé à partir du mois d'avril les cultures urbaines xale yi danañ mën a am fu ñu liggéeyee ñu jàppale ci loolu dans tous les centres urbains adhérents au programme je propose que nous célébrions tous les mois weer bu ne une journée rue ouverte koñ bu ne dinañ xool nuñ koy ak nuñ koy toppatoo ci wàllu aménagement au cœur de chaque ville weer bu nekk ci benn après midi danañu mën réserver un espace piéton qui sera ouvert au talent de la cité autrement dit weer wu ne dinañ jël benn koñ benn ñu jël artistes yi jox leen bërëb bi ñu xool nañ koy agrémenté ba delloowaat dëkk bi dana créativité li ci des nag mooy les déflatés

pour une valeur de 11 milliards de dinañ évaluer d'après la famille yi kon de il me revient le plaisir de remercier vos responsables